Excellence, Son Excellence, avec Come on, get this one down! C'est un grand... Un homme doit savoir prendre ses responsabilités. Sénégalais yi ku nekk ci Ali mën na ko Ali mën na ko Ali mën na ko Ali mën na ko bien ndax mën na ko mën na ko nee leen mën na ko nee leen mën na ko nee leen mën na ko mën na ko dañuy ñëw nag jël kàddu gi jox ko ki nga xam ni moo jiite Mariama ma leen di ñaan ñu tàcc ko bu baax a baax a baax Mariama ana jigéen ñi. jigéen ko dara fal ndax jigéen ñi la ndax jigéen ñi la jigéen ñi ko dara fal. yaa bari doole. Ali. yaa bari doole. déggu ma dara. et ce sant suñuy prendre ses responsabilités mais attends, nous n'avons pas peur parce que nous avons à j'encourage l'ingénieur en génie civil Aliou n'ayez pas peur et je sais que vous êtes descendant de roi le sang royal ne ment pas vous êtes un descendant de Ndiaye Ndiaye et plus particulièrement Albouri Ndiaye vous êtes galop galop. nous venons de même terroir, je suis Walo je suis la descendante d'Aouwe Kondama. Et nous, on n'a pas peur, on s'engage. Demandez à ma soeur qui est avec moi. Nous n'allons pas verser dans milice en disant que rien n'est bon. Mais nous allons créer la rupture avec une nouvelle touche. Et nous serons toujours à vos côtés. Nous ne vous laisserons pas devant mais nous serons à vos côtés pour combattre avec un Sénégal nouveau, du sang à grâce à la considération que vous avez pour tous les Sénégalais, vos parents, vos amis, vos collaborateurs. Mais pourquoi pas ne pas se référer au choix du président Maxel? Vous êtes une, un homme de valeur. On n'a pas les moyens de le faire. Et on s'est assumé. Et nous allons assumer. À visage découvert, nous allons avancer, nous accompagner jusqu'à la victoire au soir du 25 février 2024. Il y a mes frères et sœurs qui sont là. Je veux nommer Souleymane Nian de la CPR de Patrick. Il est là, un ancien compagnon du président Maxa. Il y a ma sœur Ramatoulaye il y a madame Maria Diaw une de nos collaboratrices nous partageons la même plateforme mais sachez que nous serons toujours à vos côtés cependant je fais appel à tout le monde venez accompagner le président Anne Ngouille vous ne serez pas déçus c'est un homme de valeur très engagé il sait bien là où il va. Son domaine de prédilection, c'est l'agriculture. Et nous avons besoin est alimentaire au Sénégal. Et avec lui, ce n'est pas un paysage du dimanche, c'est un cultivateur attitré. Et nous allons le réussir. Durant son programme, il va vous dérouler les autres points qu'il va développer. ndax dañoo ànd ak nag son excellence Macky Sall 14 ans joxuñu defaruñu waaye dañoo gëm suñu bopp xam fan la ñu jëm au moment de choisir on a choisi le président Aliou Ndiaye lu tax ay mbokkam dañ ko wër ay xaritam dañ ko wër ay am di jàmbam dañ ko wër kii mooy gor kii moo am coloré su ko Aliou Ndiaye bii waaye mbégte mënul am de ndax la princesse du Waalo moo toog di law suñu nëbët woon bii moo fas yéene gunge la ba au soir du février 2024. yëpp la pare de la République. woo naa nag kenn ku nekk jël leen seen engagement. dolof dolof yi. Sénégal Sénégal képp parce que boo limee bépp nation bépp euh, ethnique mën nga juum am mu fàtt. te woo naa cadre yi woo naa jigéen yi woo naa xale yi engagé vous. jël leen fiisam ngeen pare ne ko Sénégal jëm kanam kii bu mu jiite sa